auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans le numéro de ce soir du Forum de Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez régulièrement. La lutte anti-tabac au Niger, avancée et défi est le thème de ce soir. Ce jour, lundi 31 mai, est en effet célébré l'édition 2021 de la Journée mondiale sans tabac. S'engager à arrêter est le thème choisi pour la célébration de cette journée mondiale, une journée célébrée depuis 1987 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé qui a pour but principal d'inciter à une prise de conscience globale sur les dangers du tabac pour la santé des consommateurs et leur entourage. Environ 8 millions de personnes meurent en effet chaque année à cause euh, de problèmes de santé liés au tabagisme, selon cette euh, organisation. Dans la première partie de ce forum, nous parlerons des avancées réalisées par le Niger dans le cadre de la lutte anti-tabac et dans la deuxième partie, des grands défis qui restent toujours euh, à relever. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Inoussa Sauna. Il est le président de l'association de lutte contre le tabagisme au Niger, SOS euh, Tabagisme. Président, bonsoir. Et bonsoir. Nous avons également comme invité Monsieur Naloti Kombari. Il est sociologue. Monsieur Naloti Kombari, bonsoir. Oui, bonsoir. Et docteur euh, Souman Alpha Zazi, il est pneumologue coordonnateur euh, du programme national de lutte contre la tuberculose au Niger. Bonsoir, docteur. Bonsoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Commençons par la première partie de ce forum consacré aux avancées réalisées par le Niger dans le cadre de la lutte anti-tabac. Docteur euh, Souman Al-Fazazi, pneumologue, d'abord, euh, que signifie le tabagisme au plan médical Merci de l'occasion que vous m'offrez pour euh, parler d'un phénomène euh, mondial qui est le tabagisme, qui est un problème euh, de santé publique dans tout le monde en général et au Niger en particulier. Donc le tabagisme, c'est en quelque sorte une intoxication aiguë ou chronique due à la consommation des produits du tabac. En un mot, c'est la consommation du tabac. Donc ça a des conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan même social. Hein. Merci à vous. Donc, euh, docteur, monsieur Naloti Kombari, sociologue, quelles sont les causes euh, sociologiques euh, justement de la consommation du tabac Merci beaucoup. Moi, je pense que permettez-nous d'abord de parler sur un problème national qui est là, mhm. qui est celui d'abord de la porosité de nos frontières, puisque c'est cette question d'abord qui facilite même l'entrée mhm. de ce tabac dont nous parlons dans notre pays. Donc l'une des mm. causes, c'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité. Le tabac est trop accessible, à, la jeunesse, Notamment. Donc mhm. euh, s'il n'y avait pas de l'accès à ce tabac, la jeunesse euh, ne serait pas là en train de consommer. À part ces frontières euh, un peu matérialisées, vous avez des pistes de contournement, mhm. donc que les, trafiquants profitent pour faire entrer ces produits. Mhm. Il y a aussi la corruption. Il faut aussi noter la mauvaise éducation des enfants liée à, à la méconnaissance des méfaits du tabac par les parents. Mhm. Si un parent qui ne connaît pas les dangers ou les méfaits euh, du tabac, ben c'est bien normal qu'il n'éduque pas son enfant de ne pas consommer ce produit. Mhm. Il y a aussi un autre aspect au niveau scolaire. Si aujourd'hui nous constatons au niveau de l'école, euh, à l'époque il y a ce qu'on appelle l'ICM, hein, l'instruction civique et morale. Si aujourd'hui la jeunesse n'est pas éduquée, mhm. si l'accent n'est pas mis sur euh, les dangers du tabac, moi je pense que c'est normal que les, jeunes continuent à consommer puisque beaucoup de jeunes le consomment par méconnaissance des, méfaits mhm. du tabac. Et beaucoup aussi le consomment donc euh, par imitation ou bien par euh, l'effet de la montre. Hmm. Est-ce que vous voyez Donc, euh, les véritables causes donc, se situent à ce niveau. Il y a aussi la question du chômage qui est là, de la pauvreté, ainsi de suite. Vous savez bien que certains jeunes considèrent ce tabac comme étant, bon, souvent comme des tranquillisants, comme étant un refuge pour certains, et certains aussi comme étant des excitants pour atteindre un objectif. Hmm. Mais tout cela, c'est dû à la méconnaissance des méfaits du tabac. Merci à vous. Vous avez parlé de la question de la porosité des frontières. C'est vrai, nous avons sept pays voisins qui entourent le pays. Mais il faut aussi dire que depuis 2006, justement, nous avons une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. C'était en mai 2006. Une loi portant donc euh, sur la lutte euh, anti-tabac. Il s'agit de la loi numéro 2006-12 euh, du 15 mai 2006. Une loi visant à protéger la santé des populations contre les nombreuses maladies débilitantes ou mortelles dues au tabac, à limiter l'accès des populations nigériennes au tabac et à les préserver des incitations à l'usage qui peut en résulter, comme ça a été dit dans l'article premier de la dite loi. Monsieur Inous Sauna, président de l'association de lutte contre le tabagisme au Niger, SOS Tabagisme, quelles sont les raisons ayant conduit à l'adoption de cette loi anti-tabac au Niger en mai 2006. Merci beaucoup au euh, studio Kalangu de contribuer ainsi à l'animation de la journée mondiale Santava. Hmm. Vous êtes euh, une des rares radios qui organise un tel débat sans demander à ce qu'il soit payé. Et donc je profite pour euh, remercier et saluer les promoteurs de Studio Kalangu. Ceci étant dit, la loi 2006, c'est le couronnement de tout un processus. Depuis 1994, il y a eu des événements dans les pays occidentaux qui ont créer les conditions d'un lever de bouclier de la société civile à travers le monde pour imposer au pouvoir public de légiférer sur la question du tabac. Ce tollé a débuté aux États-Unis avec le procès qui a été intenté contre les plus grandes firmes du tabac, soutenues gratuitement par les firmes d'avocats et des médecins, des scientifiques qui ont mis en évidence les conséquences sanitaires assez élevées de la consommation du tabac. Et dans les charges ou les conséquences, de cette victoire de 1994 a été de condamner ces compagnies du tabac à mettre sur la place publique toutes leurs archives, de les mettre sur Internet, ce qui a permis aux scientifiques, aux journalistes, aux médecins, à tous ceux qui sont intéressés de découvrir toutes les manipulations dont l'humanité a été victime, orchestrées par l'industrie du tabac. Comme l'a dit donc le sociologue, la question du tabac, au-delà de la question d'ignorance, c'est d'abord le seul produit de consommation légale au monde, mais légal, il tue un sur deux de ses consommateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit, bien que ça tue. On sait que ça tue. Mais on ne l'interdit pas. Mais on l'interdit. Mhm. C'est aussi le seul produit. Aujourd'hui, vous prenez tous les produits dangereux au monde, les armes à feu. Tout, tout est réglementé. Mhm. Mais un produit aussi dangereux comme le tabac échappait à la réglementation. Et c'est un produit qui a bénéficié durant plus d'un siècle d'une acceptation sociale liée à une campagne de publicité organisée mhm. afin que le tabac soit un mode de vie pour les citoyens de l'humanité, tout en cachant aux gens les conséquences sanitaires. Après donc l'évidence de, tous ces aspects-là, il a commencé donc des législations au niveau des pays développés mhm. et il y a un courant mondial qui a exigé aux Nations Unies de créer un cadre mondial pour la lutte anti-tabac, d'où donc le processus de la rédaction et les négociations jusqu'à l'adoption de la Convention cadre internationale sur la lutte anti-tabac, qui est la seule et unique convention en mhm. matière de santé publique. Et donc, c'est tout ce processus-là qui a été repris dans notre pays à travers notre euh, organisation, avec l'appui des autres euh, acteurs, pour que au niveau national, nous puissions imposer ou demander au gouvernement de légiférer au plan national sur le tabac en se référant ou en application donc de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac dont le Niger est parti depuis 2005. Et donc voilà en résumé l'historique mm. et des, des, des, enjeux qui ont amené donc notre pays, comme d'ailleurs euh, beaucoup d'autres pays à travers le monde, à se doter d'une loi contre le tabac. Et il a été établi que le phénomène du tabagisme c'est différent des autres phénomènes de santé, comme le sida, toutes les autres maladies. Cette épidémie a un agent vecteur. Et l'agent vecteur de l'épidémie du tabagisme, c'est l'industrie du tabac, qui en tire profit et des milliards et des milliards qui en sont sortis chaque année. Et donc, qui a intérêt à ce que les gens continuent à fumer pour capitaliser ses profits et qui fera tout pour préserver ses intérêts en continuant d'une manière ou d'une autre a créer les conditions de l'existence de l'habitude tabagique malgré ses conséquences économiques et sociales, comme l'a signifié tout à l'heure docteur. Vous avez donc euh, présenté le contexte mondial dans lequel euh, nous avons donc euh, abouti à l'adoption de cette loi de mai 2006 et le fait que nous avons justement des industries de tabac qui en tiraient beaucoup profit. Quelles sont alors les obligations que fait peser cette loi anti-tabac sur les vendeurs et les promoteurs d'industries de tabac en République du Niger La loi, son objectif est de protéger la population. À travers la convention il a été établi un certain nombre de principes. D'abord, l'interdiction de la publicité, la protection des fumeurs, la protection des non-fumeurs, la taxation des produits du tabac, etc. Voyez-vous, à travers le monde, aujourd'hui, on compte plus de 2 milliards de fumeurs. Donc, on ne peut pas interdire le tabac. Sur une population d'un peu plus de 7 milliards oui, c'est beaucoup. d'habitants. Oui. Mhm. On ne peut pas interdire un produit qui est, qui est consommé par 2 milliards d'individus, quel qu'il soit par ailleurs qu'on a prouvé sa dangerosité. Mais alors, il faut créer les conditions de sa restriction. Il y a eu donc, euh, à travers la loi et la convention, l'interdiction de la publicité qui est le moyen de propagande pour atteindre les jeunes mm. et même la population de manière générale. Il y a également l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il y a l'interdiction de mettre un certain nombre de conditions sur même les lieux qu'il faut vendre la cigarette. Par exemple, dans la loi du Niger, il est interdit d'avoir des lieux de vente de tabac aux alentours des établissements scolaires, les établissements de santé et les, même les lieux de travail. Malheureusement, malheureusement, toutes ces dispositions ne sont pas appliquées. De 2006 à aujourd'hui, ça fait à peu près 14 ans. Hmm. Si on est arrivé à mettre en place un certain nombre de mesures contenues dans la loi aujourd'hui, on aurait gagné beaucoup. Parce que vous savez, en matière du tabagisme, la règle, la règle qui ne coûte pas cher hmm. à l'État, et qui ne coûte pas cher au pays, c'est la prévention. Il ne faut pas laisser les gens commencer et développer la maladie avant de tomber dans les mains des médecins. Donc, il faut en amont faire la prévention. Et cette prévention, ce n'est possible qu'à travers la législation et les réglementations et leur application rigoureuse. Chez nous, nous avons la loi. Malheureusement, elle n'est pas du tout appliquée. Et d'ailleurs, cette loi, vieille de 14 ans, a des dispositions complètement désuètes qui méritent aujourd'hui une relecture pour pouvoir l'adapter mhm. à un contexte aujourd'hui assez différent. Nous avons par exemple la question de la consommation du chicha. Chicha qui ne sont pas pris en euh, compte dans la loi, la cigarette électronique mhm. et même d'autres dispositions qui ont évolué ou l'expérience dans leur mise en œuvre dans les autres pays nous ont permis de montrer leurs limites en mhm. termes d'efficacité. Et donc, nous sommes derrière euh, ce plaidoyer depuis 2018. Ça a beaucoup avancé, mais malheureusement, il y a eu un blocage au niveau du ministère de la Santé pour des raison d'humeur à, son temps, mm. mais nous pensons que les gens seront à l'évidence que la question de la révision de la loi, on ne peut pas faire économie de ça tant qu'on veut lutter contre le tabagisme au Niger. Il y a des points sur lesquels nous pouvons revenir dans la suite du débat. Merci à vous. Permettez-moi de revenir sur euh, certains articles euh, justement de cette loi. Il s'agit notamment de l'article 4 qui dit, je cite, il est interdit d'emballer un produit du tabac d'une manière non conforme à la présente loi et aux réglementations. Les paquets ou cartouches et toute forme de conditionnement extérieur des produits du tabac en vente au Niger doivent comporter une mise en garde sanitaire couvrant au minimum 30% de la surface euh, en recto verso, ce que nous sommes en train de constater justement actuellement. Il est également dit à travers l'article 8 de cette loi, je cite, toute opération de parrainage ou de sponsoring est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la promotion ou la publicité directe ou indirecte en faveur d'un produit du tabac. Il est également interdit de fabriquer, distribuer et vendre des confiserie, des jouets ou tout autre objet en la forme ou qui rappelle un produit du tabac, de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l'achat d'un produit ou d'un service ou de la prestation d'un service. Il est donc interdit en République du Niger de procéder à des distributions gratuites euh, des produits du tabac. Oui, euh, docteur. un point sur lequel je vais euh, apporter une précision. Mhm, très rapidement, alors, président. Très rapidement, c'est la question que tu as soulevée dans la loi qui parlait donc l'interdiction de l'importation et de la vente au Niger des produits, des cartouches et cartons qui ne sont pas en conformité à la loi. Mhm. L'information que je vais donner, aujourd'hui ça fait plus d'un an que le Niger, en application de la loi et de son décret d'application, un arrêté a été pris par le ministère de la Santé depuis 2013. Mhm. Depuis 2019, j'ai participé à la rédaction de la fiche technique qui impose aux compagnies du tabac présentes au Niger de ne plus vendre des cigarettes sans les avertissements sanitaires qui mettaient des images claires qui ont été conçues mhm. et adoptées par le ministère de la Santé, communiquées à ces compagnies du tabac depuis le 22 novembre 2020. Normalement, toutes les cigarettes qui devraient être vendues au Niger, les paquets, mhm. les cartouches et les cartons devraient avoir ces avertissements sanitaires. Mais à cette date, ils se refusent de la respecter on ne mhm. fabrique pas les cigarettes au Niger. Mhm. Elle est importée. Donc pour importer un produit dans un pays, le pays fixe les règles par rapport auxquelles les produits doivent rentrer. C'est ce que dit cette loi, justement. Et eh bien, donc, toutes les normes ont été établies, communiquées à ces compagnies du tabac. Mais jusque-là, ils ne l'ont pas fait. Ils ont écrit plusieurs lettres au ministère de la Santé pour demander des délais. Mais je constate qu'il y a soit une duplicité ou bien une légèreté. Mais en tout cas, il n'y a pas de pression requise sur ces compagnies du tabac afin qu'ils respectent au moins cette disposition évidente mhm. qui est exigée par la loi depuis 14 ans et qu'aujourd'hui nous sommes un des rares pays de la sous-région. Tous les pays qui tournent autour du Niger ont mis en application cette disposition. Le Burkina l'a fait en 2019, le Tchad depuis 2017. Tous les pays qui nous entourent, les pays francophones aujourd'hui d'Afrique, ont mis en place cette disposition. Nous, le travail technique qui devrait être fait, ça a été accompagné par l'OMS et le ministère de la Santé. Mmh. On a conçu les images, les messages qui devraient être euh, dessus, l'épaisseur et tout. Tout est clair, mais les compagnies du tabac, ils se refusent. Et malheureusement, de l'autre côté, il n'y a pas de la pression requise afin de les amener à appliquer cette disposition pertinente de la loi qui permettrait donc de créer donc l'information en amont aux fumeurs. Parce que l'objectif des avertissements sanitaires, c'est d'éclairer un fumeur en allant acheter le tabac déjà. Qu'il sache déjà que, ça nuit. Ça nuit à la santé. Parce que c'est avec des images. Pas uniquement ce produit est dangereux pour la santé. Mm. C'est un méchant totalement bidon. Mm. Mais ce qui est là, c'est une image. Et plusieurs images qui montrent à l'acheteur que le produit que j'achète, voilà la photo d'une image, d'une maladie que ça crée. Ça veut dire que les industries du tabac devraient aller normalement au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. En termes de l'application, ils ne font rien. Et les normes qui ont été établies, on a sélectionné les messages, on les a envoyés, ils se refusent de la respecter. ils ne sont même pas en train de faire quelque chose pour dire qu'ils aillent au-delà. Parce qu'ils pensent peut-être que leurs produits euh, ne vont pas être achetés s'ils le font, c'est ça Mais l'objectif, c'est de, justement de créer les conditions pour mhm. que leurs produits ne s'achètent pas. Mhm. Attention, la loi, elle vise la santé. et la santé au-delà de l'économie. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer qu'en termes d'apport économique, c'est zéro. Même les États qui pensaient qu'à travers ce qu'ils prélevaient, à travers le cordon douanier, les impôts et autres, que le tabac contribue à l'économie, les conséquences sanitaires ont démontré que c'est zéro. Mhm. Vous avez appris une fois à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, et je crois c'est l'actuel, il a dit combien de milliards l'État payait pour envoyer les malades atteints du cancer à l'extérieur. Parce que le tabac, il est le facteur de risque principal à l'avenir de presque tous les cancers. Merci à vous, Président. vous avez bien compris. Les industries de tabac donc, essayent de défendre leurs intérêts. Ils font tout pour ne pas respecter les lois en vigueur au niveau des pays où ils amènent leurs produits. Docteur Alpha Zazi, vous êtes euh, pneumologue. C'est votre domaine. En quoi est-ce que le tabac nuit à la santé, docteur Merci beaucoup de l'occasion que vous m'offrez pour édifier les gens. Parce que, comme ils l'ont dit, certaines personnes consomment le tabac par ignorance. Donc, euh, vraiment, ils ne comprennent pas que c'est quelque chose qui est nuisible parce que le tabac, c'est le produit le plus sournois du monde. Mm-hmm. Parce que le tabac, il ne te dira jamais qu'il est en train de te nuire. Mais s'il dit qu'il a nui la personne, il n'y a plus rien à faire. Des fois, euh, les symptômes, si c'est apparu, des fois, il n'y a rien à faire. Quels sont les organes ou l'organe principal euh, qui est Il faut savoir d'abord qu'il y a des formes de tabagisme que nous, ne considérons pas comme tabagisme aussi. Mm. Par exemple, euh, le fait de chiquer, mm-hmm. le fait de sniffer, Mhm. les, trucs, les fameux sundula que les mhm. gens font. Mhm. Et certaines personnes, en dehors de la cigarette, et actuellement le phénomène chicha, certains jeunes pensent que la chicha n'est pas nuisible, c'est pour ça ils se sont convertis vers la chicha, alors que c'est tout à fait le contraire. la chicha est plus dangereuse que la cigarette. Donc, l'un dans l'autre, le, tabac nuit de deux façons. Il nuit son consommateur et malheureusement, il nuit aussi mhm. les innocents. Mhm. les innocents qui sont autour du, fumeur. C'est-à-dire les personnes infumées. Voilà, les, qu'on appelle les euh, personnes, fumeurs euh, passifs. Voilà, le tabagisme. Donc, euh, c'est de deux façons. Il y a mhm. l'intoxication par le consommateur même et l'intoxication passive pour, mhm. le non-fumeur Et c'est plusieurs substances parce que qu'il est démontré qu'il y a plus de 4000 substances toxiques dans le tabac et c'est démontré clairement scientifiquement que plus de 40 substances qui sont cancérigènes. Maintenant, tout ça là, ça crée des conséquences. Les conséquences sanitaires, c'est les décès, comme vous l'avez dit. Chaque année, environ 7 millions de décès chez les fumeurs et 900 000 décès chez les non-fumeurs. C'est ça les, les, les, conséquences sanitaires. Également, si, si toutefois ça ne tue pas la personne, il lui crée des maladies qui l'handicapent. Le tabac peut créer des maladies qui fait que la personne ne peut plus être productive. Il est là non productif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas contribuer au développement du pays. Surtout les, jeunes qui commencent à fumer à l'âge de 9 ans, 12 ans. Mais c'est des futurs épaves. Hein. De façon résumée, il est démontré que le tabac est à l'origine de 23 maladies chroniques mmh. et d'environ 16 cancers. 16 mmh. cancers. Et les autres maladies, si par exemple un fumeur a une maladie chronique qui est déjà là, telle que le diabète, telle que l'hypertension artérielle, le tabac va contribuer à l'aggraver. Et il faut savoir que ce n'est pas seulement les poumons qui sont atteints dans le cas du tabagisme. Tous les organes sont atteints. Si nous prenons par exemple au niveau des maladies pulmonaires, il y a le cancer du poumon que nous tous nous connaissons, c'est le premier cancer du monde. Auparavant, c'était le cancer du sein. Maintenant, comme les femmes, les jeunes filles fument à travers le phénomène chicha, le cancer du poumon a détrôné le cancer du sein. Il est devenu le premier cancer. Et dites-vous que 9 cancers sur 10 est dû au tabac. 9 cancers sur 10. est dû au tabac. Et c'est un cancer qui est tellement méchant et sous-diagnostiqué dans nos pays. C'est diagnostiqué tardivement. Ce qui fait que non seulement la personne investit pour sa santé, et il va investir pour se traiter, sa famille va contribuer, l'État va contribuer, les évacuations dont euh, Samna l'a dit on va, voit justement pour ce cancer des gens qui partaient au Maroc, oh dans d'autres pays. On va contribuer avant de tuer la personne, il va ruiner, et la personne, et sa famille, et l'État. Et pour finir, il va mourir. Parce que dans nos pays, les diagnostics des cancers se font très tardivement. Hmm. Ce qui fait que. Parce que le fumeur ne se rend pas compte. Oui, il ne se rend pas compte. Hmm. il néglige les symptômes de telle façon que le cancer est diagnostiqué tardivement et malgré le traitement des fois, je vous assure, il y a des gens, 15% seulement atteignent 5 ans de survie. C'est-à-dire quand on diagnostique, le cancer, oui, 15%, 15 des personnes qui sont diagnostiquées avec un cancer du poumon, mhm. malgré le traitement, arrivent à, vivre 5 ans de plus. C'est on a l'impression. Oui, c'est pour vous dire qu'il y en a d'autres maladies qui ne sont pas les cancers. Par exemple, il y a une forme d'asthme de, de, des fumeurs qu'on mhm. appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie qui ne tue pas la personne, mais qui la rend handicapée sur le plan respiratoire. Même, je vous assure, vous savez que se laver ou mettre les habits, c'est banal, non Bien sûr. Je vous assure, présentement, je suis des malades qui sont incapables de s'habiller ou de se laver. Tellement ils sont essoufflés, ils ne peuvent pas. Ils sont arrivés à un niveau que il faut leur donner de l'oxygène tout le temps pour pouvoir survivre. Hmm. Sinon, ils meurent. Moindre effort, ils sont essoufflés. Ils sont en train de me suivre. Il y en a ceux qui sont actuellement, peut-être, qui sont en train de nous suivre. Ce n'est pas de la blague. Mais docteur, malgré tout cela, on a l'impression que la personne euh, vit une situation de dépendance qui fait qu'elle a toujours envie de fumer. C'est dû à quoi La dépendance que le tabac fait, c'est une substance qui est la nicotine. Cette substance-là, c'est celle qui maintient les fumeurs prisonniers du tabac. Et malheureusement, dans nos pays, comme on n'a pas de système de bien contrôler les mm. cigarettes qui sont venues, mm. on peut marquer sous le paquet 1 mg de nicotine, alors que réellement dans le paquet, ça fait peut-être 12 mg de nicotine qui est dans une cigarette. Parce que justement, on a l'impression qu'il y a une euh, concurrence entre les différents types de tabac. Chaque industrie veut qu'on achète, euh, par exemple, sa cigarette. C'est une façon de les maintenir. C'est comme un carcan. Aujourd'hui, quelqu'un veut que tu continues à consommer la chose il crée les conditions pour que tu continues à consommer la, cigarette. Donc, euh, ce qui fait que tu vas voir euh, un fumeur va te dire que telle cigarette est plus bonne que celle-là, telle mhm. cigarette est plus bonne que... C'est des astuces dans la cigarette pour maintenir les consommateurs et qui fait que dès que la personne arrive à un certain stade, c'est très très difficile, je vous assure, de, de le retirer. Et c'est pour ça, c'est très important de sensibiliser la jeunesse pour qu'il ne commence pas. Parce mhm. que s'il commence là, des fois, il, est difficile de les ressortir de ce tabagisme-là. Il faut donc éviter même de commencer à fumer. Oui, moi, c'est ce que je conseille. Mhm. Il ne faut pas que la curiosité ou bien quoi que ce soit pousse un jeune à démarrer sa première cigarette. Mhm. Sinon, il est en train de se mettre en danger, non seulement sa santé, mais également, il y a beaucoup de choses que la cigarette fait perdre à la personne. Hein. Il y en a qui disent que quand on boit du lait ou quand on mange bien, ça n'a pas d'impact euh, ou bien que ça ne pèse pas fort, euh, docteur. C'est faux. Je vous assure, hein, ce qui est rentré, il est rentré. Et la seule chose qui peut faire en sorte que la cigarette ne continue pas à nuire son consommateur, mhm. c'est d'arrêter de fumer. Il n'y a pas je fume et je bois du lait, je fume, je fais quoi, je fais du sport, je fume, je fais tout ça là c'est des erreurs que les personnes sont en train de faire. Il faut tout faire pour arrêter. arrêter. Si on arrête, on a la chance que l'organisme d'elle-même nettoie ce que vous avez mis pour le détruire. Parce que l'organisme, il y a des mécanismes pour que l'organisme mhm. se restaure lui-même. Merci à vous, docteur Alpha Zazi. Vous êtes euh, pneumologue. Vous avez rappelé donc que le tabac ou les cigarettes, euh, comme on l'appelle communément, contiennent des substances euh, cancérigènes. Nous avons environ 23 maladies chroniques qui sont causées par le tabac et 16 cancers environ. Merci donc euh, pour cet éclairage. Euh, nous allons poser à présent la question au sociologue euh, Combari. C'est vrai, il a été dit dans l'article 9 de cette loi qu'il a interdit l'emplacement des points de vente de produits du tabac dans les établissements scolaires, les établissements de soins, les infrastructures sportives, les administrations publiques, parapubliques et privées. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette forte consommation, bien que nous n'avons pas pu avoir des chiffres exacts pour arriver à prouver cela En fait, c'est euh, ce qui est à la base de cette faute consommation, nous avons des textes qui sont là. Mhm. Bon, si la loi n'est pas appliquée, donc cela est normal que vraiment partout eh, où on se rend, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit dans les centres communautaires des jeunes, mhm. que ce soit dans les centres de divertissement, partout la cigarette se vend. Donc moi je pense que cette prolifération de vente de la cigarette est due que la loi n'est pas appliquée, puisque nous avons des textes qui sont là, qui interdisent la vente de la cigarette à tort et à travers. Mais mhm. donc, si elle n'est pas appliquée, c'est normal que vraiment la consommation soit à tort et à travers. On a besoin des normes dans la société, bien sûr. Vraiment, le tabac, c'est quelque chose qui nuit à la santé. Mhm. Et si ça nuit à la santé, moi, je pense qu'il faut des lois et des lois doivent être appliquées. On voit également qu'il y a des jeunes euh, qui consomment euh, le tabac comme un effet de mode. Comment expliquer cela oui, là, c'est ça. Beaucoup de jeunes donc, euh, qui méconnaissent les dangers, je dis toujours, considèrent cela comme étant un effet de mode, puisque vraiment, cela est dû à l'ignorance hmm. de la jeunesse. Cela est dû à l'ignorance de la jeunesse et certains jeunes aussi avec la mauvaise compagnie. Par exemple, aujourd'hui, un jeune qui fréquente une fada, qui fume une fada, qui prend de la bière, je hmm. vous dis, au bout de deux mois ou de trois mois, ce jeune risquerait aussi de se retrouver en train de fumer. Mhm. Est-ce que vous voyez Donc vous voyez bien, donc euh, la mauvaise compagnie, elle est là. Elle fait partie des causes qui fait en sorte que les jeunes se retrouvent. Donc euh, vous voyez bien. Mhm. Oui, oui. Merci à vous donc, euh, Naloti Kombari. Vous êtes sociologue. Monsieur le Président de SOS Tabagisme, Inoussa Sauna, quelles sont alors les différentes sanctions pénales prévues en ce qui concerne justement cette question de la loi, s'il faut l'appliquer sur euh, la lutte anti-tabac au Niger, la loi de mai 2006. Merci. Avant d'arriver à ça, je voulais revenir sur deux points. Les jeunes qui consomment la cigarette comme étant un phénomène de mode. Bien sûr. C'est ça même le fusil d'épaule de l'industrie du tabac. Pendant longtemps en Occident, la cigarette, à travers la publicité, et pour cela, l'industrie a utilisé les plus grands sociologues de l'humanité pour comprendre l'habitude précoce des gens et pour les jeunes la cigarette a été présentée comme le premier signe d'émancipation par rapport aux adultes, des signes de rébellion, des signes de changement de catégorie sociale. Et la même stratégie a été utilisée auprès de la femme. L'industrie a profité des mouvements d'émancipation et d'égalité, des mouvements légitimes que les femmes se sont battues à partir des années 60. Hum. Et ils ont glissé une campagne dans ce sens pour que la femme qui fume, qu'elle ressemble à la femme héroïque, la femme émancipée, la femme qui montre son égalité vis-à-vis de l'homme. Mm. Donc c'est de manière vraiment insidieuse. Ce sont ça les stratégies que l'industrie a utilisées. Le cinéma a été d'ailleurs mis à contribution. Le, cinéma est un, On constaté. acteur, mm-hmm. important et aujourd'hui, même euh, dans nos pays où l'interdiction que tu as dit, la propagande, la publicité, le parrainage mhm. est interdit, mais aujourd'hui, nous avons accès à des films sur lesquels notre réglementation ne peut pas, ne peut rien. Mhm. Et donc, jusque-là, on utilise le cinéma pour donc exposer la cigarette, montrer des gens, des acteurs importants qui fument dans le cinéma. alors que, qui Dans alors que dans la vie normale, ils ne fument mhm. pas. Ils sont payés pour fumer dans les films, alors que dans la vie normale, ils ne fument pas. C'est juste pour inciter, pour détourner, pour embrigader les jeunes. Pour revenir à la loi. La loi, elle a des dispositions, surtout de contravention. Toutes les dispositions, je ne les ai pas en tête. Mm-hmm. Mais à chaque infraction, il y a un quantum de contraventions qui sont déterminées. Pour les fumeurs, nous avons donc euh, l'article 22 mhm. qui prévoit par exemple 5 000 francs en ce qui concerne le non-respect des articles 12 et 13. Les articles là, c'est l'interdiction de fumer dans, les, lieux publics, mhm. sauf aux endroits réservés aux fumeurs. Mhm. Il interdit de fumer dans les moyens de transport euh, public. C'est donc comme lorsque vous ne portez pas votre ceinture de sécurité. On peut donc euh, vous demander de payer ces amendes justement. Mhm. C'est là où se trouve, et j'espère que les gens du ministère m'écoutent et que docteur euh, Alfaza sera un bon porte-parole, c'est là où se trouve l'insuffisance matérielle pour l'application de la loi. La loi, comme tu sembles la lire et tu mhm. il est écrit que les agents de la, police, sanitaire, mhm. sont chargés de la constatation des infractions à la présente loi. Je ne suis pas un juriste, mais quand j'ai cherché à comprendre, les lois dès lors qu'elle est définie en elle-même, les personnes habilitées à constater les infractions à cette loi, elle devient une loi spéciale et elle échappe aux autres corps de contrôle. C'est la police sanitaire qui conduit en cas de, constatation, de, flagrant délit. Les autres corps viennent mhm. en renfort en mhm. cas de résistance. C'est-à-dire qu'une fois la police sanitaire fait un constat, le mhm. gars refuse, la police sanitaire la de lui venir en secours. Or, nous disposons de combien d'agents de la police sanitaire sur tout le Niger Je ne pense pas qu'on ait 100. J'ai exagéré en disant 100. Je connais le nombre. Ils n'ont ni les moyens matériels, ni humains de pouvoir appliquer cette loi. Or, ce n'est pas uniquement ça leur attribution. Ils sont chargés de l'application de la loi sur l'hygiène publique. Ceux qui regardent les égouts, ceux qui regardent les femmes qui vendent à manger dans les écoles. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui nous, nous Par exemple, si quelqu'un fume un passager dans un taxi, hmm. le policier ne peut pas l'arrêter pour lui demander de payer une contravention. La loi dit lui, ne peut pas constater cette mhm. infraction. Il faut un agent de la police sanitaire. Mhm. Nous avons dit, si à son temps, en 2006, mhm. en mettant cette disposition, nous, nous pensons faire une bonne chose, on s'est rendu compte de manière technique et matérielle que c'est techniquement utopique, la police sanitaire ne peut pas le faire. Mais les gens du ministère de la Santé, comme ils considèrent la loi comme étant leur affaire, ils veulent la garder. Nous, nous avons proposé dans le plaidoyer que nous avons fait en 2018 que les infractions de la présence loi soient étendues à tous les OPJ et toutes les autres forces de contrôle de normes. Tous les corps de contrôle qui existent dans les autres corps de l'État, ils peuvent constater les infractions et conduire la personne devant le juge ou devant X ou devant Y que la loi a défini. Parce que on s'est rendu compte dans les autres pays, c'est comme ça. Le, temps est contre nous, on a bien vu. Il faut donc euh, réviser cette loi pour qu'elle soit adaptée donc euh, au contexte actuel. Mais en dehors de la loi en tant que telle, est-ce qu'on peut parler euh, d'autres avancées que nous avons réalisées dans le cadre de la lutte anti-tabac Moi, j'ai commencé la lutte anti-tabac en 99 qu'on a créé sur le tabagisme. 2000, mhm. on a commencé réellement les activités. Mhm. Je me souviens à l'époque, il est même difficile d'en parler même avec un médecin au ministère de la Santé, on avait une seule personne, le vieux Daga, qui nous écoutait. Mhm. Ce n'est vraiment pas une question qui intéressait même le ministère de la Santé. Je suis heureux de constater aujourd'hui que cette question, elle est prise en charge, même s'il se refuse de donner les moyens qu'il faut pour ça. Mhm. Parce que nous sommes le seul pays francophone aujourd'hui qui ne dispose pas d'un programme national de lutte contre le tabagisme. Comme dans certains pays, il y a un Presque tous les pays de la sous-région, oui. il y a un programme. Mhm. Et nous avons dit, il faut un programme au Niger ou une institution dédiée à la lutte anti-tabac parce que c'est une lutte complexe. Qui va faire des propositions à l'État Parce que la question du tabagisme, elle est une question de santé au dernier ressort. Mais en amont, c'est une question qui relève des autres ministères. Mhm. Le commerce, la sécurité, les finances et autres. Et nous, on ne veut même pas qu'elle devienne un problème de santé parce qu'en ce moment, c'est très grave. Elle revient à la santé en dernier ressort. Donc, c'est une question qui doit être traitée par plusieurs secteurs. Mais je remercie que nous avons aujourd'hui le comité multisectoriel de lutte anti-tabac qui travaille avec euh, les moyens de bord qu'ils ont mhm. et qui doit être relevé à un niveau plus élevé et dont les, capacités doivent être renforcées. En un mot, sur le plan organisationnel, mhm. nous avons des lacunes. Sur le plan réglementaire, nous avons des dispositions qui ne sont pas appliquées. Et je le rappelle toujours, l'application de la loi et de ses textes complémentaires ne coûte zéro franc à l'État. Et donc, nous avons connu beaucoup d'avancées. L'État s'implique beaucoup plus qu'hier. Au ministère de la Santé, nous avons des personnes, en tout cas j'en connais une, à qui je rends hommage, M. Bawa, que ce n'est même pas originellement son boulot, mais de manière assez personnelle, il s'est engagé et aujourd'hui, c'est lui le moteur de la lutte anti-tabac au niveau du ministère de la Santé et c'est lui le moteur de la lutte anti-tabac au Niger. Et à l'Assemblée nationale, on a un réseau parlementaire on a un réseau qui Nous avons travaillé avec eux l'année passée. Mhm. Pour que justement, ils ont même une proposition de loi pour faire avancer la loi. Mais ça a été bloqué au niveau du ministère de la Santé et donc jusqu'au niveau du gouvernement parce que les gens ont très mal compris la question. Merci à vous. S'engager à arrêter est le thème choisi pour la célébration ce lundi 31 mai de l'édition 2021 de cette journée mondiale sans tabac. Quelle est l'importance de ce thème Docteur Alpha Zazi, vous êtes pneumologue. Merci. C'est vraiment faire en sorte que il y ait beaucoup de sensibilisation dans le cadre de la lutte anti-tabac pour que eh, les gens puissent comprendre beaucoup de choses mhm. sur euh, les méfaits du tabac et faire en sorte que eh, la lutte soit encore plus visible. Parce que, comme il l'a dit, et eh, c'est vrai, nous avons euh, des acteurs engagés, non seulement au niveau du ministère de la Santé, mais également au niveau des autres ministères qui sont là, qui ne demandent que les moyens pour qu'ils puissent euh, continuer à, sensibiliser la communauté. Il faut donc euh, renforcer le cadre institutionnel. Mais les fumeurs, de leur côté, il est demandé ici euh, de s'engager pour arrêter. Est-ce qu'un fumeur peut arrêter de fumer oui. Il y en a qui disent que c'est difficile. Quel conseil leur donnez-vous, docteur Il n'y a rien qui est difficile. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que je suis arrivé à un niveau que si toutefois je n'ai pas des médicaments ou autre, je ne peux pas arrêter. Ce que je dirais à tous les fumeurs, la première chose à faire, en matière d'arrêt du, tabagisme, c'est vraiment la volonté de la personne d'abord. Si cette personne a la volonté, il peut y parvenir. Et moi, je souhaite également que l'État prenne des dispositions pour aussi créer les conditions, c'est-à-dire les centres de sévrage tabagique, pour ceux qui veulent s'ils veulent arrêter pour qu'ils ils, ils aient des centres de sévrage tabagique au mhm. Niger. Où on va leur donner des que conseils. On va leur donner des conseils, qu'on va leur, et que l'État, il y a certains pays qui ont également subventionné les produits de substitution nicotinique, c'est-à-dire que les produits qu'on utilise dans le cadre du sévrage tabagique. Parce que ce n'est pas les produits qui font arrêter. Hein. Il faut que ça, ça soit clair. Aucun produit ne permet à quelqu'un d'arrêter la cigarette. C'est que les produits, si la personne arrête, comme je vous ai dit, la nicotine, c'est une substance qui rend la personne dépendante du tabac. En arrêtant de fumer, ça lui crée des malaises au niveau de l'organisme et ces substituts nicotiniques, les produits qu'on utilise dans le cadre du sévrage tabagique ont pour rôle de faire en sorte que ces malaises-là n'amènent pas la personne encore à reprendre la cigarette. Ce mhm. C'est pas que ces produits qui vont l'amener à arrêter de fumer, mhm. mais c'est plutôt ces produits qui vont l'aider à continuer à observer son arrêt et jusqu'à être complètement débarrassé de cette nicotine. C'est ça le, rôle de ces produits. Mais je dirais que vraiment, toute personne qui voudrait arrêter de fumer, la première action est de prendre sa volonté personnelle mhm. à le faire. La volonté, après ça. Et maintenant, nous, on est là en mhm. tant que structure euh, de santé mhm. pour les accompagner avec des conseils à pouvoir arrêter si toutefois il les désire. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes euh, docteur Alpha Zazi, vous êtes euh, pneumologue et vous êtes euh, responsable donc du programme de lutte contre la tuberculose au Niger. Monsieur le sociologue Kombari Naloti, que faire face à ces obstacles pour mettre les populations nigériennes à l'abri des dangers de l'usage ou à l'exposition à la fumée du tabac au Niger Ça fait perdre de l'argent même aux citoyens. Après tout cela, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Vos conseils pour terminer euh, merci beaucoup par rapport à cette question. Donc, mhm. euh, dès lors que déjà nous avons une loi qui est votée, moi je pense que premièrement, il faut que l'État s'attend à l'application de cette loi. Il faut que la police sanitaire veille à l'application de cette loi. Deuxièmement, il faut organiser des caravanes de sensibilisation. Des caravanes de sensibilisation dans les quartiers, dans les établissements scolaires, euh, dans les centres communautaires des jeunes, mhm. dans les bars. Moi, je pense qu'il faut que vraiment le, le message passe, ne serait-ce qu'avec des petits sketchs donc, euh, comme on le voit à la télé sur euh, les effets ou les mhm. méfaits même de, du tabac. Et même, on peut aussi faire même des, des petits sketchs sur l'application même de cette loi. On voit beaucoup de lois que l'État vote. Il euh, prend en charge des, des humoristes qui font des, petits théâtres là-dessus. Là, mhm. aussi, le message peut passer, puisque cette loi, elle est méconnue. Il faut donc renforcer la sensibilisation pour édifier les la fumeurs, population, la population de façon générale. on vous a bien compris. Rappelons tout simplement qu'en ce qui concerne cette loi, les sanctions sont encore plus lourdes vis à -vis des industries du tabac. L'article 30 dit par exemple que toute infraction aux articles 3, ou au premier alinéa de l'article 5 sera puni. Donc là, c'est les sanctions à l'endroit des promoteurs euh, euh, des produits du tabac. Donc les sanctions, c'est puni d'un emprisonnement de 10 à 30 ans et d'une amende de 50 millions de francs CFA à 500 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. C'est-à-dire le juge peut décider qu'il n'y ait pas d'emprisonnement, mais que l'industrie du tabac puisse payer les amendes à l'État du Niger. Oui, docteur, un mot pour terminer. Euh, vraiment, mm. je dis que euh, le tabagisme, c'est une maladie chronique. Mm-hmm. C'est une maladie chronique. C'est un problème, véritable problème de santé publique. On voit tous les temps les conséquences de ce tabagisme. Nous, les, les médecins, qui mm-hmm. sont dans l'ombre parce que c'est parce que les gens ne voient pas les effets que les gens ne croient pas. Le tabac sous toutes ses formes, que ce mm-hmm. soit le tabac chiqué, que ce soit le tabac prisé, que ce soit le tabac fumé, que ça soit la chicha. Mhm. Tout ça, c'est des produits nuisibles pour la santé en général. Vraiment. Et tous les organes, hein, ce n'est pas seulement les poumons qui peuvent être détruits par cette forme de, ces formes de tabagisme. Pour cela, moi, je pense que, et comme on l'a commencé, il faut continuer comme il a dit, il faut faire des actions concrètes. C'est sur plusieurs plans. Nous allons faire la sensibilisation, mais il y a aussi d'autres actions concrètes qu'il faut faire pour, dans le cadre de la lutte contre le, tabac. Et ceci pour sauver la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui qui est, l'avenir de demain. Parce que, comme je l'ai dit au tout début, le tabac ne dira jamais qu'il est en train de nuire quelqu'un. Une fois qu'il le dit, des fois c'est trop tard. Et si on veut bien que cette jeunesse soit la relève de demain, il faut des actions dès maintenant pour le sortir du tabagisme et faire en sorte qu'il soit le fer de lance de l'économie, comme on l'a toujours dit. Si aujourd'hui un parent qui espère que son enfant va grandir pour le prendre en charge, c'est lui qui va prendre en charge son, enfant d'ici 10 ans ou 20 ans à cause des, chichas qu'il est en train de prendre, je vous assure, on est en train de marcher en reculant. C'est donc également une question de développement. J'ai l'habitude de le dire, il faut sauver le souffle. Le souffle, c'est la vie. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangu qui a eu pour thème la lutte anti-tabac au Niger, avancées et défi. Nous avons compris à travers euh, les différentes euh, interventions que le tabac présente donc euh, environ 23 maladies chroniques et 16 cancers. Également, il faut noter que 90% du cancer des poumons est dû au tabac. C'est donc un véritable problème de santé publique comme ça a été évoqué par nos invités. Nous étions en compagnie de M. Inoussa Sauna. Il est le président de l'association de lutte contre le tabagisme au Niger, SOS Tabagisme. M. Naloti Kombari, qui est sociologue, et de Dr. Souman Al-Fazazi, Il est pneumologue, coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose au Niger. Nous remercions nos chers invités d'avoir euh, répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs des 46 radios partenaires de Studio Kalangu, grâce euh, auxquels vous nous suivez dans toutes les huit régions du Niger. Au micro, c'était Michel Deji pour la modération de ce forum. À la technique, Abdoulaye Yakouba. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir.